mbokki nak euh, tay ñi ñu ngi nii seq kon euh, waxtaan ak euh, le capitaine Omar Touré officier au gendarmerie nek tamit section bu recherche bu gendarmerie bu Colobane mo capitaine ma ngi lay nuyu. waaw ma ngi lay tontu. waaw laaj bi nga xam nak dañ la koy laaj dal tok nañu ba dégg ne da nga tek sa ndomba tank te ñu ne dossier wu xalé bu jigen bi di Adji Sarr ak président Ousmane Sonko yow lañ ko joxoon lan moo waral nga tekki sa ndooma tànk. effectivement Mohamed da nga may permettre d'abord mu nuy Sénégalais yi surtout mu nuyu sama maam Koumba Touré boo xam ne mu ngi village. maa ngi nuyu aussi sama pap ak sama yaay. comme je vous dis il y a de cela huit ans je suis à la gendarmerie je suis officier de gendarmerie. voilà j'ai fait deux ans à la section de recherche. durant les deux années que j'ai fait à la section de recherche. j'ai rédigé ou corrigé plus de 1500 procès verbaux. Wow. Malheureusement, je tiens à témoigner ceux qui sont à la section de recherche. Malheureusement, c'est l'affaire, dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité a été remise en cause. A été remise en cause. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour ñu yegg mais bii moo tax ñu may top, ñu may déglu ñu may xool samay déplacement en fait gis nga que may egg ce gis naa dem naa rencontrer sama commandant ma expliqué ko ne mon commandant moom xam na il me connaît très bien il a entièrement confiance en moi et ça je le sais et je sais qu'il a entièrement confiance en moi gis quand je vous donne ma parole je la tiens je lui ai dit mon commandant gars yi ñu ngi may topp te ni may toppee xam naa ne dañuy parce que dañuy anticiper samay mouvement donc s'il continue comme ça je vais démissionner moi j'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible. C'est-à-dire, man, ça mon principe. Moi, la crédibilité. Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible. Je le suis. Point. Maintenant, je voudrais expliquer la raison de, cette démission. vous me publiez ma jël décision sénégalais ma publié démission sama page Facebook L'autorité gendarmerie ou que sa page Facebook que dañ c'est pas le haut commandant qui m'a appelé ni le c'est des autorités avec qui j'ai de très bonnes relations ñu ne ma mun nga wax ne sa compte non ça c'est moi qui l'ai écrit xam je vous disais que à un certain moment je me sentais donc c'était mon honneur qui était remis en jeu parce que vous ne ma woowee di ma wax ne naa wax ne que dañoo compte non je ne dirais pas ça parce que lii man maa ko mais ba léegi waxuma dara mais lendemain bi le lundi on m'a informé que dafa un un docteur bu ñëw sama bureau pour constater que j'étais en état de démence c'est-à-dire que dama dama dof quoi pour xool pour moi, c'est remettre en cause même eh, l'intégrité de la gendarmerie am dara won ñi Sénégal bu donc il faut créer ce qu'on appelle la diversion je suis parti à Touba mais l'objectif de cette vidéo c'était pas pour faire croire aux Anglais. C'était pour faire croire aux Anglais j'étais à Touba, qu'on il allait me chercher à Touba. on lañ may Touba. donc c'était ça l'objectif de la vidéo. Les ñi la doon ñi la renseignement il y a ce qu'on appelle les renseignements c'est-à-dire je voudrais pas trop développer c'est-à-dire vraiment voudrais aussi divulguer beaucoup de choses mais c'est l'État du Sénégal qui a engagé des personnes. Nous ils may c'est-à-dire c'est pour voir c'est quand le procès verbal de a fuité c'est-à-dire bu ma fait sama enquête ba man commandant Abdou commandant Abdou enquête si bureau am l'enquête aussi c'est le fruit du destin c'est-à-dire bu mu koy def euh, man la c'est parce qu'il a confiance en moi et il sait que je n'ai jamais été partial mais toutefois, toutefois ça a eu mënee jàppale nit te yàlla tax dama koy c'est-à-dire tout le temps quand je sais que c'est injuste je me débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice je trouve un moyen de l'aider parce que moi c'est ça mon principe je Sar, bu ma ko bu commandant bi avec ak moom ne ma demal déglu ko xam nga lan la ma wax tonton est-ce que lii duma créer problème kamil baa ngi balaa may commencer en fait damay waat c'est-à-dire man kenn xamee wuma caaxaan je suis un très bon musulman ma ne ko lu daa ngay poser loolu mu ne lii mu ne lii est-ce que sama patron dina ko yëg ma ne ko kan mooy sa sa patron mu ne sama patron mu ngi hôpital fan quoi ma ne ko ma ne ko pourquoi mu ne ma bu ko yëgee dinaa am problème donc vous vous imaginez nit di porter plainte c'est-à-dire le, premier opposant d'un État africain di la est-ce que patron dina ko est-ce que vous pensez que nous sommes conscient de wax ensuite au cours des auditions vous nous à à ba je ma ne ko ma ne ko aji sa carte vous prenez d'abord sa pièce d'identité vous enregistrez. nga nga d'abord son nom Ensuite, vous demandez à la personne de, de, vous dire le nom de son père, de sa mère et tout ça. mais dans toute son audition, nous wax a di ko commencé après quand j'ai fini avec Agisar, euh, il fallait maintenant entendre un de ses amis Sidi que j'ai entendu Sidi bu ma ko vous ba pare ils sont sortis. Il y a le capitaine Duc qui est venu me rejoindre au bureau. mu ñëw mu dugg bureau ma expliqué ce qui s'est passé après mu ñëw si audition mbay bi. Sidi Mbaye mu bokk aussi. léegi avec les questions qu'on a posées vous nous parlez. Mbaye aussi il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses mu génn. et que capitaine Duc génn nous ñu foofu parce que dañ ko woowoon sur une autre affaire léegi Mbaye aussi quand il a fini il a signé le PV il revient vers moi il me dit est-ce que dama un un problème yàlla moo a ma est-ce que duñu si am problème ma ne ko bu fekkee ne li ngeen di wax am na mais y a pas de souci ma ne ko ici les gens sont impatients léegi quand j'ai fini avec cette fille je suis parti j'ai appelé euh, la patronne mooy la fille la femme qui s'appelle Dihadi Niang ma ne ko madame où est-ce que vous êtes ma ne ma je suis à l'hôpital de de de, de Fann ma ne ko mënoo ñëw ñu entendre mu ne ma non non euh, mënuma fa ñëw sama doom et là j'ai accouché d'un enfant prématuré de 7 mois. Donc je suis hospitalisé et l'enfant a besoin de ma chaleur. Donc faut me Aussitôt après, je, je, ne, je ne pas. Quand une personne me dit ça, que mon aimant de en une situation très déplacé. J'ai demandé la permission au commandant. Je fait que faut entendre que j'ai constaté sur place effectivement qu'il y avait ça. Mais Ndeye a aussi mon moi. Nous parlons du développement. Maintenant, on devait convoquer, euh, quand on a fini les auditions et tout, ils m'ont expliqué de toute façon les PV d'audition en ma koy sénégalais quand j'ai fini donc là il fallait convoquer l'honorable député Ousmane Sonko pour nous après avoir entendu tous les témoins fait tous les actes je voulais aussi revenir sur un fait y a eu des prélèvements qui ont parce que Parce vous bu c'est-à-dire il fallait l'amener à l'infirmerie pour lui examiner Il y nga nit bu dañ souvent le médecin regarde et j'ai demandé à un gradé de l'unité mu djelko, Yobuko. Yobuko à l'hôpital principal pour une holko. mais il s'est trouvé que au lieu de l'hôpital principal ils sont partis à l'hôpital général de Grand alors que la fille dans son audition lenn a xam ne mon na que mon guddi gi dañu ko c'est ça les gens ont lu ma dafa dem ñu Yobuko Fofu on l'a mis sur une table nous que quelqu'un ait affaire après affaire donc je me suis dit que ce qui s'est passé c'est que c'est le prélèvement de la nuit donc ce prélèvement là il n'est pas pas crédible parce que quand on prélève avant la réquisition donc la preuve là n'est pas recevable c'est-à-dire que réquisition parce qu'après donc ça c'est une preuve qui peut être remise en cause en tout cas à la section de recherche connaissant le commandant et toutes les personnes qui travaillent là-bas personne n'est jamais venu à la SR, en tout cas à ma, pas à ma connaissance. mais vous aussi, vous vous imaginez, quelqu'un vient vers vous, portez plainte. Vous avez une SR. On part, on règle le problème, on revient. Quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé, après violer, c'est violer la personne humaine. Quand on vous dit que je suis violé, ça c'est important. Toutes les fois où que quelqu'un s'est présenté à la SR, et demande le commandant a pris toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte tel qu'il le faut. mais yéen principal ngeen doon yóbbu. principal lañ doon yóbbu. mais pourquoi il yóbbu c' est pas un haut c' est on dit gradé. gradé c'est est un des chefs. waaw nga jël ko. waaw boole pour sûrement xam nga comme. mais pourquoi ci diggante bi ñu yóbbu ko CTO. là je ne sais pas pourquoi mais sûrement. Hmm. comme cette fille là elle était innocente xam il a fallu faire croire que kooku moo ko kooku xam li dal li dal ba ça c'est toujours dans les manipulations que kenn kenn moo ko war a wax ne médecin bale xam na lu xew nañ ko yóbbu foofu moom sinon nous normalement on l'amène à l'hôpital principal. léegi alaaj mhm. léegi. Mhm. nañ nañ nañ continuer mais lépp na nooy rek. continue mhm. continuer nooyal ko. voilà na nooy rek su ma yore ñëwoon. quand on a fini hein? toutes les auditions il nous fallait il fallait euh, amener une convocation pour l'honorable député Ousmane Sonko j'ai pris la convocation j'ai pris mon véhicule. Je l'ai écrit d'abord un SMS. N'est que bonjour, honorable député Ousmane Kourou. Je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. On a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. Il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorgui, je ne me rappelle pas, cité Gorgui, à ma adresse. Le lendemain, je l'avais dit que je viendrais à 10h. À 10h, je ne suis pas venu. Il m'a réécrit un message pour me dire Monsieur Tire à quelle heure vous viendrez Je dis que je suis en route. J'ai pris mon véhicule, je suis parti à la cité bébé je lui ai remis la convocation qu'il a déchargée et je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que nous arrêtions Il Nous Ah, commandant, la femme là, elle a un enfant prématuré de 7 mois mënul dem de ah, j'ai informé le procureur mais bu ma ko informé je nga lan la ma wax ma ne commandant yow sa xolu yurmande le moo la sonal bi bu fekkee ne damay fen Je na ma yàlla toroxal mu procureur bi Je commandant yow sa xolu je bu le taw il faut plutôt faire appliquer les principes de gendarme comme prévu le commandant m'a dit exécute les ordres. Je suis très loyal à mon chef. Mon ami Je suis parti, j'ai exécuté. Je suis, j'ai dit à la dame, je l'ai même pas informé, hein. Je me connais, Kai. Vous bu bureau, je l'ai pas dit comment on le diable. Je diable, je connais, vous allez être placé en garde à vue. Vous avez compris? Donc comme on a remis une convocation au député Ousmane Sonko, il devait venir. Et pour pour accéder à lui, cest c'est pour vous expliquer, je ne parle pas de complot, je n'ai rien dit. on a demandé d'arrêter la dame et quand on a demandé, quand on a expliqué au procureur ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifié à la garde Mais avant la notification de la garde dès qu'on là aussi, je l'avais écouté quatre fois. Mais en titre de témoin, parce que je n'ai jamais imaginé que, mais toutefois, je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire. Pour vous la madame, moi j'applique les ordres de mes chefs. Mais je vais vous appeler un avocat te avocat c'est pas un avocat boo xam c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour mu vous avez compris c'est ainsi que j'ai appelé maître Basir Balde qui est sorti une fois en parlant j'ai appelé le maître il est venu dans mon bureau je l'ai expliqué sans pour autant aller dans les détails de l'enquête. Il fait son travail, je fais mon travail. Donc après la notification, c'est un prématuré. C'est un prématuré. Donc allons-y. Maintenant, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit à l'avocat que cette dame, si elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Pour moi, c'est ça la justice, quoi. Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis la pression sur l'État

waaw ah. Sidi Mouhamed Mbaye tam ne la. Hmm. baax duma ci am problème. waaw léegi seen place yooyu ginnaaw audition ba pare ñu ñëwaat ci yow daal la ñun baax duñ ci am problème. waaw. maanaam kon daal dafa nekk nit ñoo xam ne dañ leen utiliser lañ en fait en tout cas moi c'est la première fois que ñu violé nit mu ñëw sama bureau porte pleine. et après muy dellu. y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes y a eu beaucoup de problèmes gis nga pourquoi j'ai demandé. explique ce qui s'est est passé gis nga bu ma demee ba remettre sama démission. Donc j'ai besoin d'expliquer que après je vais me rendre à mes autorités militaires, ils vont faire la Je vais dire, non. a un ne man bu ñu may jàpp c'est-à-dire j'ai pas peur que ñu jàpp mais gis nga formation bu ma def moo gën a ay tous les responsables dans cette affaire une enquête doit être ouverte Nous ñëpp ñu jàpp leen le procureur vraiment il y a un ñu la waxee loolu war nga nangu mais on a créé un scandale là-bas hôpital je tiens à témoigner tout ce qui était à l'hôpital Bonne minuit il faut des enfants sont en réanimation là-bas man wax sénégalais si man ça vaut la peine que le procureur de la République démissionne ou que le ministre de la Justice démissionne. non c'est parce que comme je vous dis mes principes ont été bons parce que le procureur nous a mis une telle pression qu'on ne pouvait pas terminer. Ça, Non, y a des j'ai le carnet de déclaration. L'honneur de la gendarmerie en fait Qu'est-ce que la gendarmerie dans cette affaire est resté debout. le pays allait dépasser. mes këram que j'ai eu un contact avec Sonko voilà avec une personne autre que peut-être il y a certains avocats moi je suis officier de gendarmerie qu'on entre en contact parce que c'est moi qui prenais l'audition du blanc kooku boo numéro privé tout ce qui ma ko ah, appelé mais mon capitaine il y a une vidéo vous ah. bu ñu doo ko moo tax oublié ah. léegi sa démi sa démission. waaw boo paree fii da damay dem après SR c' à dire moi je pense que c' ça qui sécurité. ñi xamee ne man dinaa wax dara mun nañ ma rey donc léegi ma wax benn yoon di ma xam. rien ne vaut d'aller affronter la mort. Le général de Gaulle, quand il appelait les Français à résister, il était à Londres. Il n'est pas venu se battre. Pourtant, il est arrivé à convaincre les Français. Donc, vous faites que vous avez dit que changer dara changé d'argent. dem avez toogal rek nga wax ko bu fekkee changé na baax na bu fekkee ñi ñi gëmuñu la nga dem toog man nuyu sama maam te di ko remercier di ko gërëm lu bëri c'est-à-dire elle m'a éduqué sur des principes yoo xam ne mosul bëgg ma wàcc la vérité c'est-à-dire li may def ni si si li ma yare si loolu laa nekkee donc je ne suis que mon destin c'est-à-dire gis nga PV e affaire bi c'est c'était c'était mon mon destin c'est-à-dire on était trois capitaines à la SR commandant bi woo ma ne ma demal def ko donc bu fekkee dëgg dafa war a feeñ da ngay wax expliquer lu xew bu ma bu ma reconvoqué demain wala nit interview mo feneen j'essaierai de dire la même chose je suis vraiment très honoré d'avoir servi pour ce pays. Merci. et merci je vous remercie. ah waaw mais internet bi aussi nak radio bi moom. maa demul fofu nee nañ day day day day dagg dem ak dikk. ci moom mbirum chimère yow. mbirum simeer la moom yooyu moom suñu xam-xam waaye ah! simeer waay yeggu fa yooyu moom suñu xam-xam yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi rek yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla jàppale te yal na nu yàlla aar yal na yàlla dolli jàmm ci biir réew mi amiin yàlla balaale moom te mbir mi it yàlla nay nooy waaw na ñu ngi xalaat seen soxna yàlla nay nooy amiin waaw na nooy ba mel ni xaal Fabrice la muy dem béy fay la soo noosee Babacar Babacar Babacar <laughs> alaaji Suleer Diop moo nekkoon ci xarala gi man laaj bu doy laay Matar laa dendal ay man ñag bi la dinañu rey di gama ne bii Fabrice moo ñu tës bi mon sœur sériwul quoi ah, ah ah Mamadou Fofana l'ami du capitaine euh, Oumar ah, Touré voilà ana kan la dendal sëtu ku tedd ki borom maamu barrière or ba ca Médine bandi Achib bandi Khouré Serif Ahmed Aïdara Karara euh, monsieur le maire de la ville de Guédiawaye Moussa Fall gëm sa bopp depuis Sébikotane merci beaucoup ci message yi nga xam ne yaa ngi ma ko yónnee voilà le procureur du peuple la ngi ni lee di leen jox ko dig daje subɛnyi sala.